ce soit le Conseil constitutionnel, ils ont tous dit que le caractère complet de la liste s'apprécie au moment du dépôt. C'est net et clair, c'est au moment du dépôt qu'on dit qu'une liste est complète ou qu'elle ne l'est pas. li ci et nous nous ñu dalee 2001 nous avons changé Nous koy fàttaliku nous mu dañ ko changé donc euh, pourquoi avons-nous avons une interprétation Nous avons le droit changer. ko dañ koy génnee parce que nous avons ça, c'est-à-dire ni ñuy tordre loi bi parce que gis ans, les candidats candidat nekkee ci ñaari la loi est très claire ce n'est pas la liste qui est sanctionnée, c'est le candidat qui est sanctionné. C'est-à-dire, je pas suis pas ci liste parce que demain signé li une déclaration de candidature une déclaration de candidature vous vous wax ne man pas lu ci bi liste su fekkee dañ ne la li nga def de ko def sanction biñ ci prévoir nous ñu condamné la di nga fay xaliss wala de casse, mais on n'annule jamais jamais la liste c'est le candidat qui est enlevé et il est remplacé Nous, dañuy yam ci liñ wax déccee dañuy mi parcours dañ ne ko dañuy candidat bi wante ken du ko remplacer et donc votre liste devient incomplète Faut faire lañ ko wékk ban texte ko bide. 179 bi ñuy wax 179 waxul loolu donc euh, mbokku Sénégal Askanou Sénégal li xew fii day bëgg doon ak lu neex def parce que Mayor Ngour, nguur Nangou, que des violations flagrantes de la loi électorale, tant au niveau de ses dispositions concernant le parrainage qu'au niveau de la parité, aient été violées, qu'elle n'ait pas été sanctionnée par la DGE et qu'aujourd'hui qu'on puisse te permettre de nous dire que y a des di sanctionner ci loo à base légale askan Sénégal te duñ ko nangu duñ ko seetaan te du fi amé et je vais être net et clair il est hors de question que cette forfaiture là puisse passer Monoul ne su fekkoon dëgg la mais du am histoire su fekkoon dañu teg ñun ñëpp au même pied d'égalité du am histoire day melni ni kumba am ndey ak kumba amul ndey la DGE ne contrôle pas les listes de Benoît. La DGE ne sanctionne pas les déficiences ou les défaillances de Benoît. Par contre, liste opposition Il y a une limite en tout. Demain, wax cette forfaiture ne passera pas que di wax ni ko nous invitons tous les militants de la démocratie nous invitons tous les Sénégalais patriotes dans quelques semaines dans quelques heures dans quelques instants nous dajeeg ñoom

daañu dajeeg ñoom daañ leen expliquer yëf ki nan la demee pour que ëllëg su taxaw jotee bañ jotee boobaa du ñu bett kenn ñaareel bi ñuy wax kilifa yi ñuy wax toutes les organisations yi nga xam ni su réew mi melee ci nenn ni wala nekk ci nenn ni dañuy jóg ñu del yëgal ni bëgguñu bett kenn bëggu kenn wax ni xamuñu woon C'est pourquoi que chacun prenne ses responsabilités. Parce que les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ont failli. su fekkoon li ñu teg la ñu teg bennoo du jub ñun conseil constitutionnel mën nañ ñu wax sax parce que mon bëgg di anticiper lu qui ci procédure bi mën nañu wax sax ni dañuy afficher

et pourtant jóguñu waxuñu deful ñu leen dara donc ma bëgg a wax mbooloo mi ni ak askan wi que am lu kenn dul nangu Sénégal nag kenn xamul ci tooñ ci fayu rek la ñu xam depuis que lii jub kenn dégguñu waxuñu dara gis ngeen dañuy ñëw fii on informe l'opinion et nous on fait toutes les procédures on a fait toutes les procédures

je veux que les Sénégalais le sachent qu'il soit fixés qu'il soit édifié sur notre détermination à ne pas laisser passer la forfaiture et je pèse bien mes mots et que ce que le ministère de l'Intérieur fait est inacceptable ce qu'ils ont opposé à Détier aujourd'hui est inacceptable. Leur passivité, leur inaction, leur complicité vis-à-vis de la liste Benno, inacceptable. De nous que nul n'en ignore et que nous ne je vous remercie. merci président Khalifa Sall léegi ma jox Senghor Junior